le forum du studio le le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio le le forum du studio Kalamgou Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 18h15 minutes. Merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalangou au micro Hamadou Moumouni. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés à Niamey sur Alternative FM 99.4 et Enfani FM 100. Vous pouvez aussi nous suivre à travers le réseau des radios partenaires dans l'ensemble des chefs de des régions. Nous sommes aussi présents à Arlit, Filengue, Birningaure, Chirozirine, Magaria, Mainensoroa, Tamaské, Bouza, Dolbel et Saï. Notre page Facebook euh, Studio Kalangu et notre site internet www.studiokalangu.org. Le tabac, une menace pour le développement, c'est le thème de la journée mondiale sans tabac célébrée le 31 mai dernier par la communauté internationale. L'OMS, qui a choisi ce thème, entend ainsi mettre en évidence la menace que représente l'industrie du tabac pour le développement durable de tous les pays, notamment la santé et le bien-être économique des citoyens. C'est aussi une façon d'appeler les pays à accélérer leurs efforts de lutte anti-tabac parce que le tabagisme, le fait de fumer, précise même l'OMS, est à l'origine de plus de 6 millions de décès par an, dont 600 000 décès sont liés au tabagisme passif, c'est-à-dire des personnes qui sont enfumées en côtoyant les fumeurs. Il tue plus que le sida, la tuberculose ou encore la, maladie, euh, la mortalité maternelle Outre le cas, les cas de décès enregistrés de par le monde, le tabagisme est un vecteur de plusieurs pathologies comme les maladies cardiovasculaires, les ulcères d'estomac, le cancer de la peau, des poumons. Au Niger, le tabagisme touche de plus en plus des jeunes, y compris en milieu scolaire. Une enquête sur la prévalence conduite en 2009 dit que 8,6% des scolaires utilisaient des produits du tabac, 3,5% fumaient des cigarettes, 5,4% utilisaient d'autres produits du tabac et 9,9% non-fumeurs semblaient susceptibles de le devenir l'année d'après. C'est dire que c'est un problème de santé publique. Pourtant, une loi anti-tabac a été votée en 2006 et le gouvernement a même adopté un décret fixant les modalités d'application de la loi anti-tabac. Dans ce forum, nous allons essayer de nous appesantir sur le cas du Niger en nous donnant, en demandant ce que c'est le tabagisme, en faisant référence aux données sur la, sur la consommation et les groupes les plus exposés, en nous interrogeant sur les conséquences de la consommation du tabac pour les fumeurs et les non-fumeurs, mais aussi sur la prise en charge. En seconde partie, on va faire le point sur la lutte anti-tabac. Une loi anti-tabac a été votée en 2006. Deux ans plus tard, le gouvernement a adopté un décret fixant les modalités d'application de la loi anti-tabac. Alors, quels sont les résultats Dans la dernière partie, on va s'interroger sur la meilleure façon de prévenir le tabagisme. Faut-il mettre l'accent sur l'information et la sensibilisation ou sur la répression nos invités pour en parler, docteur Soumana Alfazazi, pneumologue au Centre national anti-tuberculeux. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Et nous avons aussi monsieur Ibrahim Meiga, qui est bien connu dans le milieu euh, de la société civile de lutte contre le tabagisme. Bonsoir Ibrahim. Bonsoir. Il y avait normalement M. Harou Oumarou, euh, le pont focal national de lutte anti-tabac qui était prévu mais qui était empêché au dernier moment. Merci une fois de plus, docteur. La question que je voudrais vous poser, euh, c'est que le tabac, pour vous qui euh, recevez les patients, quelles sont les catégories de tabac consommé au Niger et qui en sont les consommateurs donc, euh, je vous remercie sincèrement pour m'avoir offert l'occasion pour parler de cette substance qui a été découverte pendant longtemps, depuis l'Antiquité, qui est une plante qui a plusieurs, euh, donc il y a à peu près 2000 espèces, donc 80 jars, qui est consommée, comme je lisais depuis longtemps. Et c'est une plante euh, qui est consommée soit sous forme de cigarette, qui est fabriquée de façon industrielle par les firmes du tabac que nous connaissons tous. C'est le type de consommation le plus fréquent dans le monde et surtout nous, chez nous au Niger. Mais il y a d'autres formes de consommation telles que le tabac brisé, communément appelé le tabac chiqué, où les gens mettaient en dessous de la, de, la lèvre. C'est la consommation traditionnelle Traditionnelle, généralement. C'est les, dans les communautés bouzou, <laughs> nos cousins Touareg euh, qui en utilisent beaucoup, mais il y en a d'autres communautés aussi qui utilisent. Il y a le tabac fumé, classiquement appelé euh, dans les zones germanes sundu, qui consiste à. C'est du tabac aussi. Oui, oui, à inhaler le, tabac, c'est une forme de tabagisme aussi. Et enfin, il y a la fameuse euh, mode des jeunes, qui est la, la sisha, qui est une forme de consommation de tabac qui est utilisée à, à travers un bocal ou euh, une vapeur, le tabac est passé par la vapeur d'eau et les jeunes se passent le, tuyau où ils inhalent de façon traditionnelle. généralement, c'est une consommation qui est plus fréquente, qui était auparavant plus fréquente au niveau des pays asiatiques, surtout l'Inde et les pays arabes les utilisaient beaucoup, mais maintenant ça commence à devenir une véritable mode chez la, surtout dans le cadre au niveau de la jeunesse nigérienne. Il y a la cigarette tout simplement aussi, non Oui, la cigarette, euh, la cigarette qui est là et qui est utilisée soit sous forme de bâton, qu'on appelle classiquement la cigarette, euh, sous forme de bâtonnets qui sont dans un paquet et qu'on vend chez les Et il y a aussi le cigare, donc euh, qui est utilisé par euh, les barons. En quelque sorte, la cigare n'est qu'une grosse cigarette. Il n'y a, pas beaucoup de différence entre les deux. Il n'y a pas grande différence. Il y a aussi un, autre qu'on utilisait auparavant, la pipe, que tout le monde connaît. On met le tabac dans un petit, petit récipient où on, brûle le tabac. C'est beaucoup plus pour les anciens Voilà. Généralement, la cigare et la pipe, c'est réservé aux anciens et aux, personnes euh, dans des milieux aisés. Voilà, merci pour cette classification des catégories. je vais donner la parole à Ibrahim, qui est consommateur de tabac au Niger. Ok, d'accord. Merci beaucoup donc à le studio Kalangu pour euh, cette merveilleuse opportunité que vous nous donnez, n'est-ce pas, donc pour euh, nous exprimer sur le fléau du tabagisme dans notre pays. Parce que c'est vraiment un fléau, malheureusement. Qui consomme le tabac au Niger, c'est tout le monde. Tout le monde consomme le tabac au Niger toutes les catégories socio-professionnelles de notre pays consomment le tabac. Vous avez les jeunes qui en consomment, le docteur vient de mettre l'accent sur ça. Vous avez les personnes âgées, les adultes, les femmes, les enfants, pratiquement tout le monde consomme le tabac. Vous parlez des femmes, hein Oui. Au Niger Bien sûr. Bien sûr. C'est des chiffres qui le disent Bien sûr. C'est des données Voilà. En fait, euh, je disais que les femmes fument le tabac au Niger. Il y a 15-20 ans, le tabagisme féminin n'existait pratiquement pas au Niger. Il n'y avait que les professionnels de sexe, ce qu'on appelle donc les prostituées, qui fumaient. Dès que vous voyez dans notre société, il y a 15-20 ans, une femme fumée, c'est que c'est une professionnelle de sexe. Mais aujourd'hui, où je vous parle, vous avez des jeunes filles de bonnes familles qui fument. Quand vous fréquentez les écoles aujourd'hui, vous avez des jeunes filles, des élèves, filles, qui fument elles sont là aujourd'hui. Ce n'est plus caché. Vous avez, quand vous fréquentez les bistrots, à dire ce qu'on appelle communément les boîtes de nuit, etc., etc., vous avez des jeunes filles de très bonnes familles qui fument. Oui, on, a fait des photos, que Oui, ce soit elles ou bien les autres couches. Voilà. Quelles sont les données, les dernières données que vous avez Voilà, les données, c'est qu'en fait, le, problème, c'est que il n'y a pas une enquête nationale pour évaluer l'ampleur, n'est-ce pas, donc, du fléau du tabagisme. Ce qu'il y a eu, vous avez cité quelques statistiques, c'est le, CDC Atlanta, c'est-à-dire le Center for Disease Control. C'est un peu comme un organisme américain. C'est lui qui finance depuis plusieurs années des collectes de données sur le tabagisme, et au niveau des adultes et au niveau donc des jeunes. Alors donc ces statistiques-là, alors qui sont produites par cet organisme, sont effarantes pour notre pays. Parce que vous avez en moyenne 15% des jeunes qui consomment le tabac au Niger. 15%. 15%. Et vous avez environ 10% des adultes qui consomment le tabac, selon les statistiques produites par le CDC Atlanta. 15% des jeunes et 10% des adultes. Des adultes. Docteur, Vous qui recevez les patients, euh, les consommateurs de tabac en grande partie, euh, c'est qui qui vient chez vous En quelque sorte, euh, la grande majorité, c'est des jeunes qui fument ou les gens qui euh, sont au niveau du deuxième âge. Et, mais néanmoins, comme il l'a précisé, hein, les gens oublient que, euh, en dehors de la cigarette qu'il vient de dire, il y a d'autres formes de tabagisme que les gens considèrent pas comme du tabagisme. Surtout dans nos communautés. Par exemple, le tabac à Les femmes en consomment. Mais est-ce que ces femmes-là, ils se disent tabagiques? Non. Alors que nous voyons de la même manière, la cigarette industrielle crée des problèmes de santé. De cette même manière, ce type de tabagisme aussi crée des problèmes de santé. C'est démontré que le tabac non fumé a des conséquences sur la santé. Donc, ça veut dire que la majorité des gens qu'on voit sont âgés entre 20 et 50 ans. Rarement, euh, les gens de 60 ans qui viennent nous, voir. Donc, mais la majorité des patients, c'est vraiment des, jeunes, des jeunes, des, gens productifs qui doivent être utiles pour la société, mais qui malheureusement compte tenu des conséquences du tabac, commencent à devenir euh, non productifs. 15% des jeunes, c'est inquiétant, docteur C'est très inquiétant parce que, comme on a dit, la jeunesse est l'avenir d'un pays. Et vous savez, l'appareil respiratoire, elle est faite pour, euh, même avec l'âge, la capacité respiratoire diminue même avec l'âge, sans, même consommer quoi que ce soit. Rien qu'avec l'âge, vos capacités à, la, capacité respiratoire d'un individu, le volume euh, respiratoire d'un individu diminue avec l'âge. Ça, c'est démontré scientifiquement. Sans que qu'on ne fasse rien du tout. Ça, c'est physiologiquement. Mais si vous consommez des substances comme le tabac, vous l'accélérez de 20 fois. De 20 fois. Ah le déclin, on l'accélère de 20 fois si on fume ou bien si on consomme du tabac, si je peux le dire comme ça. oui. Euh, il y a des chiffres qui sont effarants, le docteur l'a dit. Par rapport aux autres pays, le Niger, c'est un des plus grands consommateurs. Et pourquoi il y a cette consommation qui, qui caracole d'année en année, si je vous comprends bien. D'accord. Alors donc les chiffres du Niger, comme je dis, sont, sont inquiétants. En fait, au-delà des chiffres, parce que comme je vous dis, les, enquêtes, les données ne sont pas trop... Oui, on, va se baser sur les données d'ici. Alors sur, la sur de ces données, je vais ajouter que nous avons fait un exercice en 2011-2012 où on a essayé d'avoir le nombre de paquets de cigarettes qui rentrent au Niger. Et vous avez en moyenne 50 millions de paquets de cigarettes qui rentrent au Niger chaque année. Chaque année. Chaque année. Selon les statistiques, n'est-ce pas, donc, de la Direction générale des, douanes. Alors, donc, vous voyez, 50 millions de paquets, c'est beaucoup. C'est extrêmement trop. Et euh, c'est d'année en année. Ce n'est pas tous les deux ans ou tous les trois ans, etc. etc. Alors, donc, le Niger, malheureusement, fait partie d'un ensemble. De la sous-région, dans laquelle nous sommes, moi, la CDAO, l'Afrique, en réalité, le monde entier a constaté que face au déclin du tabagisme en Amérique du Nord et en Europe occidentale, les compagnies du tabac dont parle le docteur ont pris pour cible l'Afrique. Ont pris pour cible l'Afrique. Pourquoi l'Afrique Parce que en Afrique, on a très peu de législation. Et là où il y a les lois, elles sont faiblement appliquées. C'est très facile dans un pays africain de contourner la loi et de continuer à circuler librement, <laughs> malheureusement. Donc les compagnies, c'est en fait ça qui, c'est ce qui explique qu'il y a une éclosion du phénomène du tabagisme dans nos pays. Ce c'est pas seulement le Niger. Le, tabac, ça s'achète. Donc il faut quand même. Ça, représente. Oui, mais, Le, mais le tabac, bien sûr, il faut l'acheter. Mais figurez-vous, euh, mon ami, de 2005 à ce jour dans ce pays, la plupart des produits de consommation de première nécessité ont vu leur prix doubler. Nous, on a payé le sac de riz ici à Niamey à 12 000, 11 000, 12 000. Aujourd'hui, il faut avoir au moins 22 000 pour avoir le même sac de riz. Le 1000, il y a beaucoup d'exemples. Et pour le tabac ah, Pour le tabac, ce n'est pas le cas. C'est le, même prix. Depuis 2005, Craven se vend à 25 francs. Depuis 2005, Craven se vend à 25 francs. Donc aujourd'hui, les compagnies de tabac pratique ce qu'on appelle la politique de prix pour rendre disponible et accessible à tout le monde le tabac. Euh, la parole à docteur. Vous qui recevez les patients, hein, ah, parce que c'est facile à acheter ou il y a d'autres raisons Bon, moi, ce que je, voudrais augmenter par rapport à ce que Meg vient de dire, c'est que le Niger est un pays qui est un carrefour de plusieurs trafics. Uh-huh. Ça, c'est connu de tous. Et surtout les trafics de, tabac, de drogue, de beaucoup de choses, le Niger et le carrefour. Nous avons eu le malheur d'être le carrefour de ces de ces trafics là Ça, c'est un. Maintenant, deuxièmement, nous avons l'ignorance des jeunes. La majorité de la jeunesse n'est pas été à l'école, ne savent pas ce que ça veut dire les dangers du tabagisme. Donc ça, c'est le deuxième facteur qui fait que les gens fument au Niger. Il y a troisième facteur également qui fait que les gens fument. Il y a aussi l'oisiveté. Celui qui n'a rien à faire ou celui qui a des soucis de boulot ou des soucis de, de quoi que ce soit, il se met dans la logique de compenser ce stress ou ce quoi que ce soit en, essayant de fumer. Donc, euh, la majorité des jeunes que nous recevons des fois, c'est juste, euh, ils disent que c'est par curiosité, ils prennent d'abord un, ça c'est par curiosité, d'autres, c'est vraiment dans le but de noyer les soucis, alors que ça ne fait qu'aggraver ces soucis-là. Donc voilà de façon un peu ramassée les raisons pour lesquelles beaucoup de jeunes se mettent à fumer parce qu'ils voient que les autres font, ils vont se dire euh, il faut faire l'expérience. Ou bien des fois certains disent que non, si je ne fume pas, je ne suis pas homme. Par exemple, la fille, il faut pour aller draguer hmm. les filles, il faut se tirer une cigarette pour avoir le courage de l'aborder. Donc certains aussi, c'est, en quelque sorte le tabagisme, moi si je peux le dire, hein, c'est une façon indirecte de masquer sa faiblesse devant des situations de la vie. Alors, en tout cas, pour ça, on va <laughs> écouter des fumeurs. Euh, on n'a pas, pas pu en avoir sur le plateau, mais euh, nos reporters ont pu recueillir euh, des propos de fumeurs. Et nous avons ici l'exemple de Moussa Moumouni, qui est âgé de 54 ans. C'est un intellectuel qui a passé la moitié de sa vie dans la cigarette. Il lui arrive de temps en temps d'arrêter de fumer, quelques temps, mais reprendre un peu plus tôt dès qu'une situation se présente, une situation un peu embarrassante. Aujourd'hui encore, il s'interroge, faut-il arrêter ou continuer de fumer. Comment en est-il arrivé là Que représente la cigarette dans sa vie Moussa nous raconte sa vie de fumeur au micro de notre correspondant dans la région de Dosso, Daouda Hassan la jeunesse est aidant, alors donc on a un peu euh, besoin de se, euh, de se manifester, de se faire valoir. J'étais encore euh, très jeune, je voyais des camarades à moi du même âge. Quand je les voyais fumer, c'est comme s'ils avaient un peu plus de virilité que moi. Au début, je trouvais l'odeur nauséabonde, mais après avoir tiré une fois, c'est vrai, j'avais eu beaucoup de problèmes, mais deux, trois fois, et, petit à petit, de mégot à mégot, donne-moi une petite sèche, et donne-moi... Euh, une tirée euh, comme ça. Alors donc, euh, on est entré là-dedans. Tu voudras chaque fois effectivement que cette sèche là soit entre tes mains. Et c'est ce qui fait qu'à un certain moment, et de, de, de, plaisir de se montrer en plaisir de se montrer, ça devient un réel plaisir du corps. Nous, on est tombé dans le piège. Quand nous n'avons pas cette cigarette, nous sentons véritablement qu'il nous manque un besoin à notre corps et que nous avons besoin de fumer cette cigarette. D'abord, la bouche a besoin de sentir cela. Et notre corps également, en tout cas quand tu fumes la sèche, tu as l'impression que la nicotine en tout cas, monte dans ta tête et que tu es lucide, tu vois clair, tu es à l'aise, tu te sens. Tu as besoin de fumer une sèche et après maintenant une sèche, tu dis qu'on non, ça ne suffit pas. Tu as besoin de te chauffer réellement le corps, tu fumes une deuxième sèche. Tu sens un besoin qui est là, que le besoin s'installe progressivement. Ce qui fait que économiquement, ça coûte parce que, euh, <laughs> je vous l'assure, euh, dans mes moments forts euh, de, de, fumer, je te descends, comme on dit, hein, deux paquets de cigarettes. Ça, c'est chaque jour. Et dire que ce n'est jamais suffisant, tu as besoin. Et c'est seulement quand tu dors seulement que tu ne fumes pas. Vous ne vous êtes jamais arrêté depuis que vous avez commencé Si je te dis le, nombre de fois que je dis c'est fini et que je reprends, est eh, vraiment c'est nombreux. La première fois quand j'ai pris la décision de dire que non, j'en ai assez, un jour, eh ben, c'est comme ça, revenant de, de, l'université, alors donc euh, j'avais besoin de, cela. Alors, euh, marchant seul, j'ai pris cette sèche, j'ai commencé à fumer et c'est comme si j'ai l'impression que la, cigarette est amère. Alors je reprends une seconde sèche, j'essaie de fumer, c'est amer. Alors donc, j'ai jeté la et avec à peu près une dizaine de, de, de, cigarettes là-dedans, je me suis dit que bon, c'est fini. Et là, j'ai essayé de faire un effort personnel sur moi pendant plusieurs jours. Je suis arrivé jusqu'à un mois, mais il a suffi seulement d'une petite occasion. Donc c'est la saison des plus occasionnantes avec bien sûr son climat doux. Alors donc <laughs> la reprise a été instantanée. et J'ai mais j'ai cessé, j'ai repris, j'ai cessé. Bon voilà, vous voyez, c'est une vie continuelle euh, comme ça. Oh, à tel point que certains disent mais est-ce que vous pouvez véritablement abandonner de fumer voilà, est-ce que vous pouvez véritablement abandonner de fumer euh, Ibrahim Meiga, avant de donner la parole au docteur, vous venez de suivre ce fumeur. Oui. Il s'interroge sur le fait de laisser ou de ne pas laisser. Oui. Quel, commentaire vous faites de ce propos Alors, le commentaire, c'est que. Je ne sais pas si vous êtes fumeur ou vous euh, l'avez Non, non, je ne suis pas. Par principe, je ne peux pas être fumeur. Oui. Mais Alors, vous l'avez pas fumé. non, si, si, j'ai fumé, j'ai fumé. Oui. Vous vous ah, retrouvez dans ce qu'il dit euh, Oui, bien sûr. En fait, le commentaire que ça inspire, c'est que vraiment, c'est assez éloquent on a un fumeur assez éloquent qui a su bien caractériser sa situation et en fait la situation même des fumeurs. Mm. Son problème, c'est la nicotine. Il l'a il relevé vers la fin. C'est la nicotine qui rend dépendant du tabac. La nicotine, c'est... La nicotine, c'est une substance qui est contenue dans le tabac. Parce que le tabac, euh, peut-être le docteur va le préciser, quand vous savez, le danger, c'est la combustion, quand la fumée là se dégage. Alors donc, il est établi qu'il y a au moins 5300 substances toxiques qui se dégagent lors de la combustion du tabac. Alors donc, dans les 5300 substances, vous avez deux qui sont très très très dangereuses. La première, c'est la nicotine. C'est elle qui vous donne le plaisir de fumer. Quand vous fumez une cigarette, vous avez envie de fumer une deuxième, ensuite une troisième, le, le comment on appelle ça, le paquet, la cartouche, etc., Et le deuxième, la deuxième substance, c'est le goudron. C'est le goudron qui abîme tous les organes, des cheveux jusqu'aux orteils. Le, le, goudron, comment on appelle ça, n'épargne aucun organe humain. Alors donc, <clears throat> c'est la nicotine qui entretient le fumeur dans le tabac. Euh, ah. Vous, savez tous ce danger, vous êtes avec les fumeurs, vous avez été dans une association de, sûr, contre le tabagisme. C'est quoi le message que vous leur dites euh, quand vous êtes avec eux, par exemple Alors, donc, ce qu'on leur dit, c'est que, comme il l'a dit, on peut arrêter de fumer. On a beaucoup d'anciens fumeurs. Ce n'est pas impossible. C'est que c'est difficile, justement, dû à la dépendance qui est créée n'est-ce pas, donc par, la, nicotine. On peut arrêter de fumer, c'est une question de volonté. Une question de volonté. C'est une question de volonté. Docteur. C'est moi qui fume, c'est moi qui arrête de fumer. vous, êtes un exemple, ah, non Vous avez décidé de fumer et puis vous avez oui, arrêté. Oui, bien sûr, Ça n'a pas été facile quand même. Bon, ce n'est jamais facile. Ce n'est jamais facile. C'est plus facile d'apprendre à fumer. C'est très facile d'apprendre à fumer. Comme il l'a dit, comme lui il l'a dit, on passe les mégots passe-moi le mégot, passe-moi la chèche, euh, avec les amis, avec l'environnement, vous l'avez dit. Hein. Il l'a dit également, les gens minimisent ou méconnaissent les risques auxquels ils s'exposent. On va parler des risques avec le docteur. Mais euh, la, cigarette, c'est une prison. On peut s'en départir. Euh, bon, moi je dis bien que c'est, comme, il l'a dit, c'est, une prison, une prison qui ne dit pas son nom c'est une prison qui, en quelque sorte, plus on fume, plus on s'emprisonne. Et pourquoi cela Parce que il est démontré, comme il l'a dit tout de suite, qu'il y a plein de substances dans la, dans la, dans la cigarette, dans la fumée. Et parmi les substances, celui qui entretient la, la dépendance, c'est la nicotine. La nicotine, qu'est-ce qu'il fait exactement sur le plan organique et la nicotine, c'est une substance qui est dans le sang, qu'on peut doser, hein, et qui il se fixe sur une partie du cerveau qui contrôle le plaisir. Donc, et chaque fois que le fumeur ne fume pas, le, le taux de nicotine baisse dans le sang et il faut, il donne envie à ce fumer, de reprendre une, autre cigarette. Donc il faut vraiment de la volonté Donc, pour ça. Ce qui fait que le manque euh, euh, de, de, nicotine dans le sang, ça crée des. C'est comme si quelque chose qui est fixé au niveau de la zone du plaisir pour stimuler le plaisir. Et donc, par conséquent, dès que ça, les taux chutent, la personne devient tout malheureux, avec anxiété, avec tous des signes, des signes de manque qui le poussent encore à aller prendre une autre. Et plus il en prend, plus il en prend, plus le taux, la demande du taux de nicotine. Par exemple, si le taux de nicotine était à 20 au, au tout début, lorsqu'il était un tout jeune fumeur, avec le temps, ça peut aller jusqu'à 200, 300, 400. Et il lui faut ce taux de nicotine de 400 pour être satisfait. Une grosse envie. Voilà. De deux cigarettes, la personne peut aller jusqu'à 10 cigarettes, jusqu'à 20. deux paquets, comme, le, dit notre, Jusqu'à il est arrivé à un certain niveau où il faut 20, il faut deux paquets de cigarettes pour que, qu'il ait, il satisfait malheureusement, dans ce cas, il est en train de se détruire. Voilà. C'est l'effet sur la santé. Voilà, de façon. Quelles sont les conséquences de, de la fumée et le non-fumeur en quelque sorte, les, conséquences sont énormes. Les conséquences, euh, c'est seulement le, tabac. Les conséquences ne sont pas seulement sanitaires. Moi, je veux peut-être m'apaisantir sur, les sur les, conséquences sanitaires. Sous les conséquences sanitaires, c'est démontré scientifiquement que le cancer du poumon est devenu, à cause de la cigarette, le premier cancer dans le monde. Il a dépassé le sein. Parce que le problème qui se pose maintenant, les hommes fument, les femmes fument. Donc c'est les hommes, les femmes seulement qui font le cancer du sein. Les femmes, les hommes ne font pas de cancer du sein. Donc si on additionne le poids des hommes et des femmes de la fumée, ça devient, ça fait que le cancer du poumon devient est devenu actuellement dans le monde le premier cancer. Il y a le cancer. Oui. Il y a quoi encore En dehors du cancer, il y a les infections moi personnellement, j'ai fait ma mémoire sur les particularités de la tuberculose chez les sujets fumeurs. C'est quoi À travers cette étude-là, on a démontré que si, si on fume, on s'expose plus. D'abord, un, en se passant la cigarette, on se contamine. Deux fumeurs. Ça, c'est sûr. Si quelqu'un est tuberculeux parmi eux, il se contamine. Et en plus de cela, quelqu'un qui est fumeur, à un certain niveau de degré de tabagisme, il va tousser le matin. Et il ne le, considère pas comme une toux qui est liée à autre chose. Et dès que ça c'est le premier degré. Voilà, donc qu'est-ce qui va se passer Il va il va tousser le matin, il va cracher, il va se dire bon, c'est ça qu'on appelle la bronchite chronique. La bronchite chronique, ça évolue, ça évolue, ça devient une bronchite chronique obstructive. C'est ça BPCO. On appelle ça l'asthme des fumeurs. Ce qui fait que, moindre pas, si un fumeur a l'habitude de faire un travail qu'il peut faire vraiment sans problème ou, ou passer les escaliers, il s'essouffle facilement. Donc, euh, il devient comme un insuffisant respiratoire. Il ne peut pas faire un effort intense. Je profite de votre euh, studio pour dire aux gens que les gens ne se détrompent pas. La tuberculose n'est plus une maladie des affamés. Les gens qui fument ils sont au même titre exposés que les gens qui sont affamés. En faisant quoi La faim entraîne une baisse des défenses de l'organisme de façon générale. Tandis que la fumée, elle, elle détruit les poumons, donc elle fait une baisse des défenses du poumon local, localement. C'est-à-dire que tout ce qui rentre, et on sait que la tuberculose et les autres infections respiratoires passent par les voies respiratoires. Donc, dès que ça, rentre dans le poumon, il n'y a plus de défense. Il y a des chiffres qui l'attestent Qu'est-ce que vous, il y en a plein. Il y en a plein de chiffres qui l'attestent. Et, c'est démontré qu'ils font des tuberculoses fréquemment. Ils font des tuberculoses qui détruisent les poumons de façon très sévère parce que le diagnostic est fait tardivement. Et c'est des gens qui ont des séquelles de tuberculose. Et c'est des gens qui sont très contagieux s'ils font une tuberculose parce que le fait de se passer la cigarette ou bien le fait que le poumon est détruit, ça produit beaucoup de microbes. Donc euh, en dehors de ça, sous la, hein. il y a plein, plein de... Les maladies cardiovasculaires, si je dis à peu près plus de 200 maladies liées à la au tabagisme. Je ne dis pas la cigarette liée au tabagisme, parce qu'il y a plusieurs formes. Y compris la forme traditionnelle. Y compris la forme, traditionnelle. Quel que soit le type de tabagisme, il a ses conséquences qui sont là et qui sont connues scientifiquement avec des preuves scientifiques. À peu près 200 maladies, je vous dis, qui sont liées rien qu'au tabagisme. Ibrahim, vous avez parlé de l'aspect économique. Euh, la cigarette, c'est de l'argent. Oui. C'est le cas au Niger aussi. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sous euh, vraiment cette envie d'exporter, euh, d'importer la cigarette Alors, donc, vous... ok. Alors, au Niger, l'importation du tabac, euh, en fait, vous savez, les compagnies, les grandes compagnies mondiales du tabac, Philip Morris, British American Tobacco, Imperial Tobacco, c'est des compagnies qui ont pris une avance sur la santé publique depuis très longtemps. Pourquoi Parce qu'elles sont parvenues à imposer le commerce du tabac comme étant un commerce licite. Aujourd'hui, les règles de commerce mondial n'interdisent pas le commerce du tabac. Alors que le monde entier aujourd'hui est unanime sur les dangers tels que développés par le, le docteur, les dangers liés à la consommation. L'OMS parle maintenant de 7 millions de morts chaque année, dont plus de 700 000 des victimes innocentes, des gens qui sont exposés à la fumée secondaire du tabac. Alors donc, l'importation est faite, c'est donc un lobby, c'est un commerce mondial, c'est fermé. Vous voyez, je vous dis, ceux qui nous amènent le tabac au Niger, et ils ne fument pas, <laughs> par exemple. Ceux qui nous importent, ceux qui apportent le tabac au Niger, et ils ne fument même pas. Donc c'est un, c'est un lobby, c'est un commerce très bien organisé dans lequel l'État semble se retrouver. C'est-à-dire que les compagnies de tabac versent des taxes. Et euh, pour la petite histoire, je crois en moyenne, depuis 5 ans, c'est 20 milliards de, que ces compagnies versent à l'État. 20 milliards de francs CFA. Au Niger. Au Niger. Et donc, ça fait à peu près 5% des recettes fiscales globales de ce pays. C'est énorme. Alors, donc, vous voyez, mais quand on compare ces 20 milliards aux conséquences aux sanitaires, aux conséquences environnementales, parce que aux conséquences même, j'allais dire financières, c'est-à-dire aujourd'hui, quand vous prenez un blanchisseur, quelqu'un qui gagne difficilement sa vie, il peut te fumer un paquet de cigarettes par jour. Mais ce monsieur-là, il ne peut pas s'enrichir il ne fera que s'appauvrir. Parce que la recette qu'il fait, le bénéfice qu'il doit gagner dans la journée, il le consomme dans le tabac sans se rendre compte. Pourquoi Parce qu'il paye les cigarettes à l'unité. Il paye pour 50 francs, il paye pour 25 francs, il paye pour 115 francs. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de Nigériens qui sont enfermés dans un cercle vicieux de pauvreté à cause du tabac. Et en même temps, d'insécurité alimentaire. Parce que l'argent qu'ils doivent utiliser pour payer le tabac, ils peuvent l'affecter, n'est-ce pas, donc à la consommation de biens utiles et à eux et à leur, à famille. Hmm. Euh, docteur, vous avez parlé de, des conséquences sanitaires pour le fumeur. Il y a aussi le non-fumeur. Euh, mais, les conséquences, oui, c'est vrai, les conséquences sanitaires euh, pour le non-fumeur, c'est vrai, non seulement, et prenons par exemple, si on prend les non-fumeurs, il faut prendre deux catégories. La première catégorie, c'est la famille même du fumeur si un fumeur a une femme et des enfants, s'il fume 20 cigarettes en moyenne par jour, c'est démontré scientifiquement que les gens qui partagent la, même maison que lui, ils fument deux cigarettes par jour. Sur 20. Sur 20, oui. 2 sur 20. Donc ça veut dire que c'est des enfants qui sont exposés. Eux, ils n'ont pas des, leurs voies respiratoires ne sont pas matures. Donc ils sont exposés à faire des bronchites à répétition et des enfants des fumeurs. En cas de grossesse, l'enfant est, des fois il y a des morts subites hein, d'enfants liés au fait que rien que ce, le papa, père géniteur est fumeur. Rien que pour ça, l'enfant, les morts subites au cours de l'accouchement ou bien après la naissance de l'enfant, on voit que l'enfant est mort sans raison valable, c'est lié à ça. Il y a les conséquences. Ça, c'est par rapport à, au niveau de la cellule, de la cellule familiale même. Et au niveau de l'environnement, par exemple, vous êtes travailleur, vous, partagez le bureau avec vos collègues, vous les, exposez. Il a été démontré scientifiquement des cancers, des adénocarcinomes, des cancers du, du poumon, du, rien qu'à l'exposition de la fumée de tabac. Rien que ça. La personne n'a jamais fumé, il fait un cancer lié au tabagisme parce qu'il a été exposé à, à, cette substance-là. Donc le tabac est vraiment un danger public. Donc vraiment, euh, euh, c'est très grave. Il faut, il faut, il faut. on a compris tout cela. Je veux dire que tous les acteurs ont compris qu'effectivement le tabac est un danger et c'est pour ça euh, qu'il y a eu quand même. des tentatives de lutte. Ici au Niger, il y a même une loi qui a été adoptée en 2006. Hum. Et Qu'est-ce qu'il en est de cette loi, Ibrahim alors donc, euh, au Niger, il y a eu, ce, ne, sont pas des tentatives, il y a eu une lutte efficace contre le tabac au Niger. Donc nous, euh, au niveau de notre association, euh, très tôt, je crois que depuis 2001, 2002, nous sommes engagés dans ce travail-là. Et le Niger, effectivement, fait partie des premiers pays à avoir ratifié ce qu'on a appelé la Convention cadre pour la lutte anti-tabac. C'est un traité international, c'est le premier d'ailleurs, traité international de santé publique, qui a été négocié, n'est-ce pas, donc sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé. Le Niger a ratifié, le Niger a fait une loi anti-tabac le 15 mai 2006, le Niger a adopté un décret d'application de cette loi le 17 juillet 2008, et plus tard, en 2012, le Niger a adopté également deux arrêtés d'application de la loi anti-tabac. Le premier arrêté est relatif à la, réglementation, n'est-ce pas, de l'ouverture des points de vente de tabac. Parce qu'aujourd'hui, le tabac, on, a, on a, tout l'arsenal juridique pour empêcher que... Euh, voilà, on a euh, tout l'arsenal juridique. Maintenant, nous pêchons dans la mise en œuvre. malgré tout cet arsenal. Malgré tout cet arsenal-là, l'État, le Niger est timide dans la mise en œuvre des dispositions. Par exemple, depuis explique 2012, bon, ce qui explique ça, c'est le manque d'engagement politique. Il y a eu de la volonté politique. Les textes sont là. Mais il n'y a pas eu de moyens pour mettre en œuvre les textes. Par exemple, en 2012, nous avons négocié avec le ministère de la Santé pour faire adopter un arrêté pour mettre des images des maladies dues au tabac sur les paquets de cigarettes. Ce qu'on appelle les avertissements sanitaires graphiques. Mais tout ça Depuis pas 2012, l'arrêté a été adopté. Et les compagnies avaient à peine un an, 12 mois, pour se conformer à, cette, cet arrêté du ministère de la Santé. Elles ne se sont pas conformées. Jusqu'à présent. Donc ce qui, bloque, c'est l'engagement politique. Et l'engagement politique, ce qui le limite, généralement, on nous dit que c'est. Malheureusement, le représentant du ministère n'est pas là. Ils nous disent qu'il n'y a pas d'argent. Alors que c'est faux. Il faut que les gens arrêtent ce discours dans ce pays-là. Ce pays a de l'argent. Les gens qui ont l'argent, ils ont l'argent. Les gens qui doivent gérer l'argent, ils savent là où ils mettent l'argent. Ce pays n'a pas manqué et ne peut pas manquer les moyens, n'est-ce pas, de mettre en œuvre ces politiques. Ce n'est pas possible. Les moyens sont là, ils sont utilisés à d'autres fins. Docteur, euh, qu'est-ce qu'il faut dire, vous qui êtes euh, spécialisé en la matière, face à un fumeur ou à un non-fumeur, quel est le message qu'il faut apporter en quelque sorte, moi vraiment, et je suis... À défaut de mettre l'accent sur l'aspect juridique et Ce qu'il faut, qu'il faut faire, il faut surtout enseigner les gens par rapport au méfait du, tabac. Parce que il ne sert à rien de faire des textes et de les laisser. C'est vrai, il y a eu beaucoup d'efforts qui sont été faits. Le Niger est l'un. Vous avez senti ça dans les centres de santé le, Niger. eu cet effort. Le Niger est l'un des pionniers de, de, de la lutte anti-tabac en Afrique. Je l'ai dis parce que je sais, j'ai vu les textes, j'ai fait ma, mon mémoire sur le tabac, juste mais la tuberculose, je vous ai dit. Et, et, et j'ai vu qu'il y a eu beaucoup d'avancées dans ce sens-là. La seule chose qui manque, que j'ai constaté qui manque au Niger, c'est d'abord, un, vraiment les structures de prise en charge des conséquences du tabac mm-hmm. et mais également des structures où quelqu'un qui veut arrêter de fumer, on va l'aider par des conseils ou par des médicaments à arrêter de fumer. Là, malheureusement, je suis désolé de le dire, il n'y en a pas au Niger. Aujourd'hui, je décide d'arrêter de, de fumer. Je viens, je vois le pneumologue, il peut te donner des conseils, mais les substances, il y a certaines substances qui sont là pour substituer, pour substituer la nicotine là. Et qui en manque. Donc, qui en manque. Il faut que et eh, on fait des efforts pour subventionner ces produits, pour les mettre à la disposition, pour créer des centres de sévrage tabagique au Niger, pour pouvoir, parce que le tabac, c'est un problème de santé publique au Niger. Je le dis parce que je vois tous les jours les conséquences. Des jeunes qui ne peuvent plus être rentables pour le pays parce que le poumon est détruit. Des jeunes qui sont condamnés à mourir à l'âge, à la fleur de ah, l'âge, comme on dit. Parce qu'ils consomment le tabac. Parce qu'ils ont consommé le tabac. Et ou même parce qu'ils continuent de consommer le tabac. Il y en a plein. Et surtout avec ce phénomène-là. Qui sait demain qu'est-ce qui va se passer avec le chicha euh, Ibrahim, oui. Euh, sur quoi il faut mettre l'accent finalement Vu que l'aspect euh, juridique ne marche pas. Non, c'est pas que. Il faut mettre l'accent sur la répression. Non, c'est pas que l'aspect juridique ne marche pas. Sensibiliser tout simplement. Il faut, comme il faut, comme il l'a dit, une grande campagne d'information. Parce qu'aujourd'hui encore, les Nigériens minimisent les risques. Et ils sont des spécialistes. Quand on dit cancer, mais bon, moi, citoyen lambda, ça ne me dit rien. Mais quand on dit cancer du sein, si vous avez l'habitude de voir une femme qui a le cancer du sein, quand vous le transportez sur le poumon, <laughs> là c'est compliqué. Vous allez jeter votre paquet de tabac. Donc il faut des campagnes d'information. Ça doit primer sur la répression. Des, des, émissions comme ça que vous faites. Invitez les spécialistes. Il faut qu'on vous donne les appuis nécessaires pour inviter les spécialistes comme lui, pour qu'ils disent aux gens qu'avec le paquet de tabac, ils sont avec la mort il faut inviter également les religieux. Parce que quand le tabac vous tue, vous êtes comme quelqu'un qui s'est suicidé. Or, quand vous vous suicidez, vous ne pouvez pas être dans la rahama de Dieu. Ça, amener les érudits, ils vont vous dire ça. Voilà, ils vont vous dire ça. Donc, quand, quand le tabac vous tue, vous êtes assimilé à quelqu'un qui s'est donné la mort. Or, Dieu a dit, tout celui qui se donne la mort, il n'aura pas ma miséricorde. Vous comprenez Donc, il faut sensibiliser, il faut informer, les gens, mais il faut que le ministère de la Santé publique, décide, pas, de prendre le taureau par les cornes en mobilisant les ressources budgétaires requises pour financer les actions de lutte anti-tabac. Parce qu'au Niger, ce qui nous a manqué, c'est le financement et nous avons dit. C'est un peu partout, c'est une priorité un peu partout. Oui. Euh, pour finir, on n'a hmm. pas malheureusement de temps. On va conclure avec docteur. Un mot pour celui qui veut, docteur, je voudrais que vous m'aidiez à me départir de la cigarette. En quelque sorte, moi, ce que je voudrais dire à, toute la jeunesse nigérienne et à tous les, fumeurs. que ce soit les gens qui fument ou les gens qui prennent du tabac non fumé, qu'ils savent que dans le tabac, il n'y a rien de positif. Rien dans le cadre de la santé. C'est démontré scientifiquement que le tabac n'apporte rien de positif à la santé d'un individu. Au contraire, il est en train de, le nuire. Et si toutefois, tout celui qui décide d'arrêter de, fumer, ils peuvent nous prendre en contact pour qu'on puisse l'appuyer. Parce qu'il y a des gens qui ont la volonté d'arrêter. Mais comme ils sont devenus des prisonniers du tabac, ils auront du mal à arrêter, ou bien même s'ils arrêtent, ils le reprennent. Et ces gens-là, il faut les aider. Il ah, faut les aider. aider. n'est pas un, arrêt brutal. Déjà, l'organisme est habitué. C'est tout un processus de sévrage tabagique. Merci, merci docteur pour ce conseil. Euh, dans le tabac, il n'y a rien de positif. C'est un peu votre résumé. Voilà, nous venons de parler de la lutte de, la consommation du tabac au Niger avec euh, Dr Soumana Alfazazi, pneumologue au Centre national Tuberculose, et M. Ibrahim Mega qui est euh, membre de SOS Tabagisme. Merci pour cette participation. Merci à vous, chers auditeurs. Bonne soirée.